juin 2024, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Lundi sur Kalangu. Moi, c'est Fanta Chamsou et ce matin, je suis en compagnie de Mariam Adey. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Fanta. On n'oublie pas aussi de faire un coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Issa Lawoli à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Alors à Fanta, quel est le programme du jour Comme d'habitude, Mariam, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique justice, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Dogondouti, dans la région de Dosso, pour parler de la subvention financière que l'État octroie aux élèves du secondaire issus des familles démunies. Il y aura aussi un entretien, n'est-ce pas, Fanta Bien sûr, Mariam, dans la partie entretien de cette édition, nous allons donner la parole à Hajia Mouma, présidente de la coopérative à appui aux jeunes filles basée à Tiroziria. Comme annoncé, nous allons ouvrir cette édition avec les flashs d'informations présentés ce matin par Rafika Tahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Fanta. Bonjour Afika. Alors, euh, pour le flash de ce matin, le Fonds monétaire international FMI annonce une croissance du PIB nigérien à hauteur de 10,6% en 2024, selon une déclaration faite le samedi 1er juin par Antonio David, conduisant une mission du Fonds auprès des autorités de Niamey. Cette croissance à deux chiffres, ajoute la source, intervient après un ralentissement de 4,2% en 2023. Selon le chef de mission du FMI, les perspectives économiques sont favorables à court et moyen terme. La croissance réelle du PIB est projetée à 10,6% en 2024 en raison du début des exportations du pétrole et des effets d'entraînement qui en résultent sur l'économie, la levée des sanctions ainsi que l'augmentation attendue de la production agricole tout en prévenant que néanmoins ces perspectives positives sont sujettes à à des risques en particulier ceux liés à la situation sécuritaire et aux vulnérabilités aux chocs climatiques. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a relevé que la violence croissante dans le Sahel central a conduit à une, forte hausse des violations à l'encontre des enfants dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest et que beaucoup d'enfants sont victimes de meurtres, d'enlèvements et de recrutements par des personnes, par des groupes armés. Ainsi, au cours des trois derniers mois de 2023, les violations graves contre les enfants dans le Sahel centrales ont augmenté de plus de 70% par rapport aux trois mois précédents, a indiqué le communiqué. Et enfin, Sheibou Arji de Maradi, champion de la deuxième édition du tournoi de lutte traditionnelle dénommé Coupe du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports à l'arène des Jeux traditionnels Salman Rani de Dosso hier dimanche 2 juin 2024. Sheibou Arji, déjà en finale, a automatiquement été proclamé champion de ce tournoi de lutte traditionnelle à l'issue d'un match nul qui a opposé Rabé Oumarou de Zender à Bello Ila de Et ce sera tout pour le flash d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Fika Bien sûr, Fanta. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Alors, chers auditeurs, notre invité du jour, comme annoncé, c'est Hajia Mouma, la présidente de la coopérative Appui aux jeunes filles de Turozérine. Mais avant de l'écouter, nous allons d'abord souffler en musique avec les sons Yeti Yeta de Abel Zamani. cause I'm and my gum. Cookie, Wanda, Wanda, Wanda, Wandir Makonda, Wanda, Wanda, Bukul Makonda, Yukul Makonda, Ikul Makonda, Iruo Wasi. nobody cares. So you anyone take my brother, you anybody. If you know what people they go through, you go shout, say you're blessed. Ah, yeah. You are blessed, though. So dance. Enemy Enjoy life with me, my sister. Tomorrow is not promised. So as you got today, do what you want you when you're at theater. You oversee. You oversee. basi irigiriga n'o tɛ yeti ye tan yeti ye tan yeti ye tan yeti ye tan yeti ye yeti ye tan yeti ye tan yeti ye tan yeti ye tan yeti ye tan Yetieta, c'est le titre de la chanson que nous écoutons en ce moment. Yetieta, c'est le nom des pas des danses qu'on retrouve chez les Armands. chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons à présent entamer la première partie de l'entretien du jour. Dans cette partie, Hajia Mouma nous parle de cette coopérative d'appui aux jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées. Elle est au micro de Ahmed Fellan. matasa na karkaro ta ma dan in ka koya musu aikin hannu akwai da yawa sun fita lakol da yawa ga sunan sun ragice ina da ina ta jawo su suna zawa ina koya musu aikin hannu ina ne kuke samu wannan kayan aiki kamar sirni a kayan aiki wannan agada ne nake samu su amma wata na neme su ma ba ni samu su tunda suna da wahala samu me kawo su wata yana samu masala ka a kawo mishi shi ma kawo mishi ne ake daga najeriya ne ake kawo mu kayan aiki wannan na rinin nan kolayar da acid hydro wannan agadas ne muke samun su da tc kin wanda muke rinawa eh, fari ne ake soyawa a zo a yayyanka shi a daidaita shi duk a daddarme sai an darme sa'annan a rina shi sa cikin kular sannan shi ne da sai fiddo wata kular daban iri-iri ne ga sunan kana gani ana abin gakin su kama wannan yan mata wanda ake kwama aiki sun ba aiki muhimmanci sun ba shi niyya ne ka san da farin kaman in ka kawo mutum hakan ga sai ka gani kamar bai mai da niyya ba ma ya ga abokin shi yayi niyya har yayi aikin har ya fiddo wani abu cikin aikin aikin nan shi ma ka gani shi ma ya kama hanyar yin shi suna ta kokari eh, kayan aikin dai suke mu wuya eh, suna ba mu wahala tunda wata sako kana son ka yi su eh, harakar dai yanzu sai a hankali in kun yi aiki kuna samun kan masu sai hakan ga to muka yi aiki gaskiya su kan Allah yanzu saboda lokacin su kenan cikin zahin ga ana samu ana sai tunda ko nan cikin gida muna zama sa yan sai suke zauwa ana samu kun ka mata aiki kamar kuna ba su wata takarda ne wadda take nuna kamar sun koyi aiki koya ya ne kuke musu kwarai ko yarinya wadda ta koya ma aiki duk ina ba ta takardar ta diplom saboda gobe in ta je ta nuna ta wani wuri za a tabbata wannan aikin ta yi shi ta san shi eh, tunda ba a ba da takardar yabo ba san aikin ka ba kenan dole ne in ka yi aikin dole za a baka takardar yabo kenan an tabbata kowa ya san ka san shi kuma in za mu ba da ta ba mu ba da ta mu hakan ga mu kade sai shugabannin mu hakan ga za su zo su ba da takardar su yau kuna da kamar yara na ku na cikin ku wanda kuka koya mana aikin kwarai ko ina da yara na na wani kaina da shi kanya ta ina da diyana duka sun iya shi wannan aiki tun suna kama mini tunda ko bani nan bani shakku sai su yi shi eh, tunda an kama su ma suna iya su yi shi akwai rinin wannan tisikin akwai rinin shadda ba abin da ba mu yi da lifaya wannan duka ana rinawa ana gera su suna ta kokari yara tabarkalla kuma kuna amsan wani abu gare su wannan yan matan domin ku ci gaba da aikin ku ko kyauta ne kuke aiki yaran nan wallahi ba na kama komi gare su saboda ina so in fidda su cikin yanayin da suke ciki kaga yarinya ta fita lakon tana shaye shaye tana shashanci wannan abubuwan duk su ne suke bata mana rai saboda duk wanda yake da ya mace ya san ciwonta ba yarda ya gani wata tana tana yawon haka nan ya kale ta kenan da kake son ka gyara mata ka haka kake so ka gyara ma wata ina ta kokari bisan su kuma alhamdulillah uwayensu suna mini godiya suna ta godiya sosai yaran da na koya ma da yanzu suna fidda ma kansu takeici su sai ya man su sai ya sabinin su har su kai ma wasu suna da kokari har su soyo TC su zo su zamana su yi aiki su zo su nuna mini ina jin daɗi bisa kan wannan na fidda su ga wahala wadda suke ciki zuwa ina ne ku koya wani aikin kamar kun shekara na na kuna shi na gaskiya ina karama ni koya shi na tiri ko ta nan wannan ga lakwal mission can ne na koya shi suka koya mini na samu diploma kuma ina yi ban fasa yi ba har zama yanzu yanzu ka ga nan aikin kana ganin shi ga na an yi ruguna kuna samun kamar karin eh, foro tare da kungiyoyi wallahi ina sa mutum da kwanaki ma tabarkalla da na je birnin gawar mun ta wata kasuwa da aka bude nan wata wata proje ta zo ta doke ni daga nan ta doke ni ta kai ni can saboda an koya ma yara wani aikin rini wannan na je na yi farmasiyon na yi kwana goma sha biyu ne na yi can na koya musu kuma ni ma na karu da wannan zuwan da na yi can saboda na koya sabini yanzu na iya sarrafa shi sabini da ban iya shi ba amma yanzu na iya shi na iya gomaj ita ma na yan mata duka wannan na koya shi an gwada mini sai dai abu guda ne zai bani wahala saboda bani da kayan aikin shi nan a kayan aikin shi sai ni ne ake samun su da ni wanda suka koya mini na gode musu kuma da zani kokarin gwada ma wasu ni ma koya musu gurin ku da wannan aikin a ce wallahi ni dai guri na kasan kowace rana sufa muke yanzu muna so mu samu waɗanda suka samu suna cikin wurin mu na suna yi su su ma so ta rana kaga sai su fudda ma wasu takaici amma ni wallahi na koya ma yara na koya ma mata kai koyo na mutu alhamdulillah ni na baro tarihi saboda da yawa ko cikin yan gida na sun yi shi wadanda kuma na koya ma kuma su ma za su yi za su koya ma wasu su ma kuma haka na ake so bisa in ka san abu kakka rike shi kai kadai koya ma wani saboda yanzu ko bani da lahiya wani ya zo yana son wani abu cikin yara na wani sai ya taso ya ce kawo a maka kowa ya amfana ya sun ya amfane ni ya amfane su ya amfani wani ma daban yanzu wanga aikin da nake gani gaba na gashi nan samfo iri iri akwai wasu masu ado wasu ba da ado ya ne kuke yin su wannan ayyuka wallahi wannan aikin na samfo na shi ma ga muna yi shi shi ma muna koya musu kaga wanga wanda baya da fata wanga ka yana da fata da wanga baya da fata kenan aikin ba dai bane yanzu kamar wanda baya da fata nawa ne kuke sai da shi wanga wanda baya da fata ina sai da shi shika uku saboda shi ma kaban nan take da sada ya eh, shika uku nake sai da shi wanda baya da fata Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de notre entretien avec Hajia Mouma, présidente de la coopérative Appui aux jeunes des Tirozérines, au micro de Ahmed Filan. Mais avant de continuer, nous allons souffler en musique avec le son Aïr Ténéré du groupe Soga, un groupe qui n'est plus à présenter dans cette émission. studio après cette belle sonorité. Chers auditeurs, nous allons continuer avec l'entretien du jour dans cette deuxième partie. Haji Amouma, présidente de la coopérative Appui aux jeunes filles, nous explique pourquoi elle met l'accent sur le travail du cure. Elle est toujours au micro de Ahmed Felan. mai fata haye kai ina sai shi shika goma da fata kaga sai an gera ta ta ba irin wannan rini ba a yi abin ganta ko an yi lema baka jin iskanta e ba ta da wari amma waccan aka rina ta da wadancan na gargajiya sai ka ji iskanta mm. to ba abin da ya ka bambanci su kenan wadanga suna da tsada ka sai ka sa musu kular sai ka dumka sai ka yanka sai ka daidaita wadanga masu fata su wannan tsada gare su wannan muna sai da su shika goma hafi ma har sha biyu ma yanzu nan ne mutane suke zuwa suna sai ko kuma tura su ne kuke wani gari ka ana sai to yanzu kama ana kamar na shekaran shan gada aka yi na garin gada maka ta yi birni ka gani yanzu da muka kai su nan kaga sayin su akai kaga aka yi kursale in na kai ina saidowa in aka yi festival de layir in na kai ana saida kuma aka yi na artisan duka dai muna fulda da su muna wanke juna sakankanin mutum da babu abin da za a yi nan ba a kire ni ba an ce in je in kai kaya duk an wato an yi fuwar hakan ga duka muka kai kai alhamdulillah muna sai da su kuma yan matan gari ko kama aiki kamar uwayensu ne suke kawo su ko aiki ko kuma kawai da kansu ne suke zawa su ce a sa su cikin wani aiki wallahi wata sa uwayen ba su kawo su ni dai na ga yarinya tana shashatawa tana kamar hankalinta dai baya abin nan sai in ta ina jawo hankalinta da sannu sannu da sannu sannu har mutane suna cewa kai wanci ke baki da aiki man ce ni ke da aiki saboda ina son in gera in gera hankalin yarinya ga gobe za ta zama wani abu ba ta mance ni saboda mace ta koyi aikin hannu za ta amfani uwayenta ta amfani kanta ta fita wance mika hannu ta amfani garin duka ma za ta amfani shi saboda wani abu da za ta yi yana ta da wani abin da yake ba a yin shi ma cikin garin ka gani dole za ta cin amfanin shi wani ma ya ci amfanin shi to hajiya ina gani akwai robobi da mayafin su kuma ina gani akwai lufayi su nawa nawa kuke yin su kuma nawa kuke sai da su wannan lufayi ka gani su ma muna rina su saboda tisikin na na lufaya ya yi wancan kudin su ma ba dai bane saboda na lufaya tisikin shika ashirin ake sai da shi kaga wangan karamin abin da ake sai da shi shika goma ake sai da shi kenan firikin su ba ya zauwa dai lufaya ana sai da ta shika goma shi wanga ana sai da rob kin shi shika shidda har zuwa bakwai muke sai da shi na rob da mayafinta kenan shika bakwai ita da faya shika goma muke sai da ta ka so muka rana ta kaje da shi cikin wanga aikin ne kuke rike da iyalin ku da yaran naku ka gane su ni wanga aikin shi na gode ma Allah na gode ma wanga aikin hannu ba wanda ban iya ba ka gane su dan yara jikokina ne ba su da uwaye tun sana kanana nike rike da sako wanda yake ma ko nono bai sha ga uwar shi ba ta yau ga ta nan wannan ta kai shekara biyar kana ganin yan mata ina roƙon su duk wadda take so ta zo ta fidda kanta cikin takaici da saboda wani abu takaici ne in ka koya aikin hannun ka zaka fidda maka kanka takaici ka kora ma bakin ka kuda ka ko haka ma wani ma amfani ka ma uwayenka kuna da wani atele ne inda kuke koya aiki ko kuma dai gida ne aka koya musu aiki wallahi nan ne gida nake koya musu ba da inda nake da wurin koya aiki amma nan ne cikin gidana nake koya musu nan nake kawo su su zo su zamana su yi aikin su kuna iya fada mana kamar adadin an matan da kuka koya ma aiki yanzu dai abin da na koya ma ma ya kai yarinya goma sha biyar waɗanda suke sun koya aiki sosai da sosai. Yanzu wani kamar masaloli kuke game da cikin wannan ayyuka? Akwai su masaloli saboda ni ina so ina koya musu aiki yaran nan da ba su da aikin yi. To karfi ne babu ba mu da karfi ba mu da inda muke samun tallafi. Ni dai nake kokari bisa dan in samu in jawo hankalin su su zo suna koya aikin hannu kenan mutum yana rike da aiki ba zai shiga wata wata mugunyar hanya. Mene ne kuke so kamar tallafi a wanga lokaci? Wallahi tallafi da yawa muna son muna son tallafi tallafi na rini kular muna son ashash muna son zare muna son wurin da za mu sa abu da muna aikin tare da matasan yan matan ga muna bukatar shi in Allah ya sa muka same shi ana kira gare ku ga hukumomi ko kuma eh, kungiyoyi wanda za su taimaka ma irin wannan ayyuka to wanda yake da hannu da shuni wannan muna neman tallafi gare su su tallafa saboda diyan ga namu na zamanin ga ka samu hankalin shi ya komo da yawa in sun yi zo sun koya da yawa sai su ce ma abukan su ga inda muke kenan muna taimakon su wani ya kaga yaron ka shiririta amma ya zo ya zamana yana koya aikin hannu hankalin ka sai ya kwanta yana hana shaye shaye yana hana tahiyar banza kenan da yawa wadanda aka koya ma yanzu yau suna fidda ma kansu takaici suna fidda ma su tar da hukumomin ko ba su samu wasu tallafofi ba mu fidda maha ba amma yanzu a haka dai yanzu tukuna dai ba su fara ba mu komi ba Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, place à la rubrique justice d'aujourd'hui sur le territoire de la République du Niger. La prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du Code minier incluant des textes et des lois. Amadou Adamou, juriste au ministère des Mines, explique au micro de Rafika Quelle est la vocation du Code minier au Niger le code minier a pour vocation de régir les activités minières, les opérations minières à la République du donc de la prospection jusqu'à la fermeture de la mine. C'est cette loi qui est la matière en réalité. Le code minier de 2022 est le fruit d'un long processus qui a commencé avec la modification de la loi 2006 et les ordonnances qui portent euh, sur la matière. Donc ce n'est qu'en euh, 2022 que la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et cette même loi a eu à être modifiée euh, en mai 2023. Pourquoi cette loi 2022 a été modifiée Ce qui a justifié euh, la modification de cette loi, donc au niveau national, donc on a constaté que l'industrie minière est principalement dominée par la recherche et l'exploitation de l'uranium et accessoirement par celle du charbon. Donc avec la chute des coûts de l'uranium sur le marché international, la contribution du secteur minier à l'économie nationale se situe à un niveau relativement faible, malgré un potentiel certain. Donc, un autre facteur également ayant contribué à la modification, c'est l'enclavement du pays et l'insuffisance d'infrastructures géologiques de base et de transport. Donc, conjugué à l'absence d'une politique minière apte à favoriser la mise en valeur des ressources minérales du pays, ont été les principaux facteurs ayant retardé le développement du secteur de plus, le Niger se trouve aujourd'hui en rude compétition dans le domaine minier avec plusieurs pays, tant au niveau euh, régional qu'au niveau international. Quelle loi régit les activités minières au Niger Les activités minières sont régies en République du Niger d'abord par la loi mère, l'ancienne constitution de 2010, et ensuite par des textes communautaires, notamment l'acte additionnel ACA du 29 juin 2019, relatif à l'adoption d'une loi modèle de la CDAO sur l'exploitation du des ressources minières. Il y a également le règlement numéro 18 2003 de l'UMOA du 23 décembre 2003 portant code minier communautaire, dont la révision est en cours. Quelles sont les dispositions de la loi sur le code minier Il y a d'abord des dispositions constitutionnelles, parce qu'au niveau de la Constitution, il y a une première catégorie de répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. On a une deuxième catégorie qui est relative au droit de légiférer par voie d'ordonnance. Et la dernière, c'est la catégorie qui est relative à la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique au Niger. Par rapport à la compétence du législateur, il ressort expressément des articles 89 de la Constitution que L'ancienne conscience que euh, la loi fixe notamment les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, c'est-à-dire l'impôt relatif à l'exploitation, à la recherche, à l'exploration des ressources minérales l'impôt relatif à l'acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des substances radioactives, c'est-à-dire seul le pouvoir législatif est habilité euh, à prendre des normes. Elle a un double objectif. D'abord, c'est attirer un maximum d'investisseurs. Et de deux, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences internationales, parce que l'activité minière est une activité internationale. Donc il y a un certain nombre de standards euh, qu'on doit retrouver dans, dans, une réglementation sectorielle qui est également du code, code minier. Et de l'autre côté, il doit protéger également les intérêts de l'État. Et c'était la rubrique hebdomadaire Justice dès ce lundi 3 juin 2024. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou à travers les ondes de nos radios partenaires. Et notre tour en musique avant de continuer, n'est-ce pas, Mariam Bien sûr, Fanta, cette fois-ci, nous allons faire euh, écouter Aye de Kitari. Kitari. Ah, Negritude Record. Ayokiaminche, irekezamu yoraiwa. Amana mukai, kuma muntabatara daita. Yauramu, mu, zuciya. Yauramu, yau ta da farin ciki yau mu hadu rayuwa. Aye, aye yeah. yau mu haɗu Maman, moment, moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté, bon par magie. chers auditeurs, c'était Aye, un très beau titre de l'artiste guitari de son vrai nom Mohamed Guitari Haruna Koulibaly. Il est auteur, compositeur et interprète. Guitari est révélé au grand public en 2019 euh, lors de l'émission panafricaine Tapu Rouge enregistrée à Niamey. Et ce titre Aïe qui parle de mariage et son premier opus au succès phénoménal, le morceau a été classé meilleur club du mois de septembre 2020 dans le hit euh, musical sur la chaîne panafricaine. Et place à présent à l'écho des régions. L'État octroie une subvention financière aux élèves du secondaire ici des familles de Munich. En effet, Fanta, ces allocations sont essentielles pour les élèves et leurs parents. Quels sont les critères de sélection des bénéficiaires de ces allocations Réponse dans ce reportage de Hassan Abdou Arzika depuis Dogondouchi, région de Dosso. Au niveau de l'enseignement secondaire, on constate que certains élèves bénéficient à la fin de chaque trimestre une somme d'argent communément appelée allocation scolaire. En effet, cet argent est remis aux élèves bénéficiaires par l'intendant s'il y en a ou par le chef d'établissement. Alors, en quoi consistent ces allocations Qui mérite d'être allocataire et comment se fait la sélection d'attribution des allocations Pour répondre à toutes ces questions, écoutons M. Ibounou Alassane, l'inspecteur de l'enseignement secondaire général de Lugondouchi. Allocation, c'est une subventions que l'État donne aux élèves déshérités issus de familles pauvres sans ressources. Pour avoir les bourses, qu'ils soient orphelins de mère et de père. Comment ils font la sélection au niveau des collèges, au niveau des lycées. Alors, il y a une enquête préliminaire qui se fait. Et cette enquête, on a su les directeurs de COGES pour voir et qui connaissent les élèves, les familles. Au cours de cette attribution, déjà, la conseil est donné qu'il faut chaque fois tenir compte déjà le nombre de filles bénéficiaires dépasse légèrement même le nombre de garçons. Au niveau du premier cycle, de la sixième euh, à la troisième, les élèves perçoivent 12 000 francs par trimestre d'allocation. Et au niveau du second cycle de euh, vos lycées, ils, perçoivent 18 000 francs par trimestre de la seconde à la terminale. D'un point de vue général, le nombre des allocataires est progressivement à la baisse, mais l'État continue quand même de subventionner les quelques élèves issus des familles démunies. Mademoiselle Maria est orpheline et Mademoiselle Saratou vient d'une famille qui peine à soutenir ses études. Elle nous raconte ce qu'elles font avec l'argent qu'elle perçoivent comme allocation. koren tiri ina sayan kaya da su mata tana yadda min in kira su mamman ilyas saratu lise kabrin kabara terminal garan tire a eh, an bada ina sayan kayan rantiri ga sallah kuma muna sayan kayan sallah ina ba su duk sai su hidda min wa'anda zai Les allocations scolaires ont pour vocation la motivation des enfants des pauvres à bien étudier sans relâche, mais aussi à soulager les parents dans la prise en charge des études de leurs enfants. Il n'est un secret pour personne, la charité des denrées de première nécessité et des fournitures scolaires. Tabizo et Zoera sont respectivement les mamans de Maria et de Saratou. Elles nous évoquent les bienfaits des allocations de leurs filles samu ai na ji daɗi ina zame taka iske ni ta ce min mama in hin in amsa in yi godiya to in ba ta yi buwa gaban duka ta kawowa sai dai an bata kwarai ko tana da amfani da kwal shekara muna amfani da su an sai mata akuya ta aihu notons enfin que la majorité des élèves des écoles publiques du Niger proviennent des familles très pauvres et les autorités continuent d'appeler pour la scolarisation de tous les enfants. Alors, il est temps d'élargir le nombre des allocataires et d'augmenter l'enveloppe de la bourse scolaire du secondaire pour réellement soutenir et subventionner les études des enfants des pauvres qui continuent de bien faire à l'école malgré les conditions de vie et d'études toujours difficiles. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé des 34 minutes et c'est l'heure du sport. Nous sommes avec notre chroniqueur du jour, Gourouza Assumi Karimou. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Fanta, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors Gourouza, hier c'était la fin du tournoi de lutte traditionnelle à Dosso dénommé Coupe du ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, Fanta, c'est le lutteur de Maradi, Chebou Arji, qui a été sacré ou sacré champion de la deuxième édition de cette euh, compétition. Le vice-champion est Aminou Ibrahim de Tawa. Deux lutteurs se sont partagés la troisième place. Il s'agit de Rabi Oumarou de Zender et Bello Ila de Tawa. Le champion a eu une coupe et une enveloppe de 1,5 million de francs CFA. Le vice-champion, 750 le en foot à coup d'envoi à Maradi du tournoi de détention des jeunes filles. Oui, euh, Myriam, c'est dans le cadre euh, du développement du foot euh, féminin au Niger que la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, a initié tout récemment un programme en quatre phases avec pleine d'implications des associations régionales. La première phase est celle d'une sélection et de détection des footballeuses euh, dans les catégories U16, U19 euh, sur l'ensemble du pays. Ce sont les équipes des établissements scolaires et les quartiers des chefs-lieux de région qui ont été retenus pour être le champ d'intérêt. Ces équipes issues des établissements scolaires de Maradi sont en compétition et c'est le gouverneur de Maradi qui a lancé les activités le 28 mai et en foot toujours, le MENA du Niger s'est envolé samedi pour le Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ah oui, les ambassadeurs nigériens vont affronter les Diables Rouges du Congo au stade des Martyrs cette semaine pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde Canada, États-Unis et Mexique 2026. Les poulains de Badouzaki et de Zakriaou Ibrahim euh, sont allés défier les diables chez eux. Les diables chez eux. Hein. <laughs> ah oui. Et notons que le Mina du Niger est en troisième place du classement provisoire du groupe E avec trois points derrière le Maroc et la Zambie. Quelle audace, nous leur souhaitons bonne chance en tout <laughs> cas. Merci. Merci Gourouza et bonne journée à Merci. Chers auditeurs, il est à présent temps de découvrir notre étoile du jour à Fanta. Tu nous présentes qui ce matin Le portrait du jour, Mariam, nous amène à Tessawa de la région de Maradi pour euh, donner la parole à un jeune qui s'est lancé dans le domaine de l'artisanat il s'agit d'Omar Leko qui, après son admission au BPC, a fait de la transformation des planches en objet d'art son métier. Voici son portrait avec Gungu Mohamed Dantani. Omar Leko, wani matashi nan shekara talatin da ke rayuwarsa a Maradi bayan ya samu diplomar BPC ganin bai samu zangon ci gaba ba da ɗaukar iliminsa sai ya tsunduma ga aikin fusa'ar sana'ar hannu domin kansa ga zaman kashe wando. Matashin ya samu baiwar katako ƙwarya cikin irin sauyin da yake so ya yi. Umar ya ba mu labarin somawarsa. Wannan dabarar na sarrafa ƙwarya da kuma katako ina haɗa su yadda nake so, ina yin motoci na yara da gadaje da dai sauransu yadda dai mutum yake so. Rashin samun tallafin gwamnati ko wasu masu hannu da shuni na karya lagon Umar cikin himmantawar da yake yi. Umar ya ce ya shiga biɗar mafita ga samun kyautata ayyukan nasa abin da yake ɗaga man hankali shine ban samu waɗanda suke dafa min ba don na bunƙasa aikina ba shakka zan fita idan na samu tallafi ko na kayan aiki tare da wannan fasahar tawa zan fita da yarda Allah. Ba tare da wani babban hali ba amma da niyyar da ya sanya ya horar da matasa a kai da ke aiki yanzu haka a ƙarƙashinsa. A cikin wannan aiki na koyawa da yawan matasa kuma suna aiki na sun kai su goma sha biyu. Akwai waɗanda na yarda da su na ba su amana. Lawali na cikin wannan matasan ga shaidar da ya bayar. tinka mai in samu muna tamu da Umar muna ta ayyuka ya gwada mun yadda ake aikin ƙwarya sosai yadda ake komi da komi dai harka nan ta architecture alhamdulillah kuma mun ma mun koya sosai alhamdulillah yanzu haka ina sa ran Allah yarda ina jamu'a kuma ina wannan abun haka ina ci gaba kodon lokaci zuwa ga matasa marasa aikin yi ya waje ba su bi saun umar don ganin sun kaucewa zaman kashe wando na matasa. Fidèle auditeur, faisons un dernier tour musical pour retrouver Kamikaze qui nous chante ici, fait pas semblant. sait faire semblant. D'abord, si gars, ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Il faut choisir choisir ton camp. On ne te pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des mamans avec un Hiltasai. Ça jamais l'occasion de te liquider. Nagane, mon appel, commis pour diviser. pour me déguiser, et ta pas pour te cisailler. intéressante. Ça n'aura jamais l'occasion de te liquider. Nagani, mon affaire, de tes commis pour diviser. pour me déguiser, et pas pour te cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. ne me fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Trop c'est faire semblant. D'abord, si tu ne sait qui est, c'est Ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Il faut choisir ton camp. On ne On a plus de qu'on pour diviser. Pour me déguiser, et d'abord pour de cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Ceux qui te kiffent, c'est ceux-là même. je connais Camila, Taka, Yarda. Ceux qui n'aiment Magaré, que tu tout La loi qui cool, sans arrêt. Ceux qui n'aiment Taka, Kumia. Devenir leur manipuler d'un limité, qui bat. Laisse-toi faire, et tu se jusqu'au sol Les Babyloniens, pour te niquer, proche, au ramassier. Ils ont juste pour te foquer S'il n'arrive pas, je chercherai un bouc émissaire Sur qui tout rabattre Chérie, les autres là Les apparences sont des fortes, t'as fini que les gamins La vie fait pas le moins prends garde avant le pire c'est dans le peuvent jamais qui fait ils le nourrissent ce sentiment ta perte, ta ruine, et leur souhait le plus profond. le trame des coups, babis, bah écoute des choses bidons. Sans opinion, non pas de temps, font partie des pions. nous rien de Satan, laissons le temps au temps. Et puis nous revaincus, mourirons les bien en l'air dis destination l'enfer. Les le qui désapprouveront un hein, water dingue. Gamé, gamé de gauche à droite, la haute sociale. C'est pas semblant de mes si tu me détestes. Oh, c'est faire semblant. D'abord, ne qui y a ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. faut choisir gagné mon afflèche, j'ai t'es gommé pour diviser. Pour me déguiser, et d'abord pour te cisailler. Babylone, mon gros Babylon. yeah, yeah. Alors, ne fais pas semblant de mes si tu me détestes. Faut se faire semblant. D'abord, si ne fait qui y a, c'est Non ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Ne faut choisir ton camp. On ne te pas. Babylon, yeah, Babylon. Mongo Babylon, yeah, yeah. Yes, Mongo Babylon. Yes, Babylon, le mal. Babylon, l'enfer. Babylon. Babylon, tout ce qui est négatif. Il y a des gens, à force de parler des autres, ils ont oublié qu'ils ont une vie. hey, faut que ça cesse ça. Qu'est-ce que c'est que ça hein, hein Ouais, ne fais pas semblant d'aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. Yes, faut avoir un camp. Y'en a qui n'en ont pas. Les nôtres, ouais, évite-les, évite-les. Sont pas bons, ces gars, sont pas bons, non. Cet effet pas semblant des kamikazes Fanta passant à présent au lot du jour des femmes du studio Kalangu qui touchent aujourd'hui doigt les problèmes d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à ces derniers temps. Le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population du Niamey. Écoutons Salamou Kadri et Talata Abdou Bahar. affairage, affairage, affairage. Mm, c'est bon, ah, ah. Mm, c'est bon. viva Biba, bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi hmm, J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves que dehors, et plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sortit cette idée tordue Hé eh, ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes Bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux. analyse bien l'endroit s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps ils ont d'autres choses à faire. Ou bien Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie. Tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer une, un système de vidéosurveillance. Eh, hum. Ne ris pas de moi. Et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres. Ah. Hein, qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> Voilà, merci à Salamatou Kadri et Talata Abdou Bahar pour ces lotis. Le mot de la semaine est environnement. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Samira Omarou. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show culture linguistique. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin. World Environment Day is celebrated every 5th June. Vous l'avez deviné, le mot du jour est environnement. Environnement in English means environment. Environment is the natural world as a whole or in the particular geographical area, especially as affected by human activities. Prenons un exemple. He grew up in a loving environment. That means il a grandi dans un environnement aimant. L'environnement fournit l'essentiel des ressources naturelles vitales comme l'eau et l'air. Environment provides most of vital natural resources such as water and air. Un environnement sain est une source de satisfaction. Il améliore le bien-être et permet à chacun de se remettre du stress de la vie quotidienne et de, et de réaliser une activité physique. A healthy environment is a source of satisfaction. It improves mental well being and allows everyone to recover from the stress of daily life and engage in the physical activities. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. Continuez à prendre soin de vous. On se dit au revoir et à très bientôt. Protégeons notre environnement pour une vie saine et harmonieuse. Voilà, merci Samira Omarou pour euh, cette rubrique. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre. En anglais, Hausa, Zarma, tamajek ou Fulfulde, participe. votre participation est la bienvenue. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana ta association contre fédération na club na radio de l'era ina ɗaya daga cikin masu sauraron radio diliran ma duka gaba ɗaya ba ma kalangu kaɗai ba eh to gaskiya shirye-shiryen kalangu sai mu ce alhamdulillah ko ba gaskiya ba da ya kawo abubuwa da dama wanda ya zamanto mana ci gaba kuma zaka ji wani labarin da yake ya maima kana nan kana jin shi da yake agadas kana jin shi anan da kake ma da yake cikin Nijar baki ɗaya ma kana jin shi anan kuma wasu wasu mawakan kawai jin su ne muke ba mu san su ba amma a dalilin kanangu zaka ji mutum ya haɗu sunan shi shekarar shi nawa ya aka yi fara waka ma da kaza da kaza da yare kala kala ka gani yarurrukan da ake a cikin kalangu kowanne mu da muke nan musamman kamar buzanci wannan da ake yi da faransai da hausa da wannan ake gaskiya alhamdulillah kam studio kalangu suna shirye-shirye wanda suke nuna ma matasa eh, illan shaye-shaye da kuma yadda za a yi mutum ya san waye shi ma ko kuma ya za a yi ya nemi aikin kanshi da kanshi ya ma san shi waye yadda za a yi mutum ya san yadda zai yi ya tsira da kanshi wasu hanyoyi ne ya kamata wannan duka studio kalangu suna nuna ma matasa insha Allah dalilin studio kalangu mata musamman nan cikin garin gegeme in ka nura kai dan jarida ne ka sani akwai mata wanda suna nan wanda ba su zuwa au in suka samu ciki ba su zuwa amma dalilin wannan shirye-shirye da ake na studio kalangu ana wayar ma da mata kai yanzu kam alhamdulillah in harkan wani tamuwa wannan ka gani tabarkalla alhamdulillah yanzu abu duk ya rarrage a cikin nan garin gegin eh to bangaren shirin sha ɗaya zuwa sha biyu eh shiri ne wanda yake kawo rahotanni daga gariruwa daban-daban kamar gariruwa da suke cikin Nijar baki ɗaya yana kawo rahotanni na nan da nan da nan muna jin shi mu da muke nan karshen gabas muna jin abin da yake karshen yamma bangaren wasanni sai in ce dan jarida kamar suna harkan da ya shahi sport wannan harkan wasanni balo da kuma kamar in ce yadda za a yi a san mutum waye shi kamar portrait da turanci ake cewa ko studio kuren go tabrin birnin kunni taslawa fil lawl wala qawnu wala wala ma gamda dala ko mai gan mar gasan min rajin nawa ta grasa nan sas tambenes akorin ban kukori ana maralin kunni a min district tan konni insha Allah taslam fil Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, c'est sur ce titre Gossi de la Samaria des Gaïa que nous allons nous dire au revoir dans cette émission. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Mariam Adey et moi-même Fanta Chamsou. À la technique, c'était Issa Lawoli et Adam Adawaki à l'édition. Ciao, ciao!